Frères bonjour. Nous remercions Dieu encore pour cette journée. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 juillet 2022. Voici la version audio de notre manne quotidien. Elle a été soigneusement préparée pour nous édifier et nous aider à grandir spirituellement et à se préparer pour la venue de Christ. Nous continuons aujourd'hui notre test se, se tenir à la, à la brèche. Se tenir à la brèche. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour, nous te remercions pour ce matin. Nous prions, Seigneur, que jeudi, vendredi, ta parole que nous a conduit toute la, la semaine. Nous prions que, Seigneur, que tu nous donnes la grâce à obéir à secourir les perdus, les perdus aussi à prendre soin à ceux qui meurent. Je nous prions que tu nous la grâce à le faire. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce matin, nous considérons se tenir à la brèche. Se tenir à la brèche. Nous lisons notre texte dans le livre des Nombres, chapitre 16, le verset 41. Nombre chapitre 16 à partir du verset 41. 16 à partir du verset 41 jusqu'au verset 50. Lisons la Bible ensemble. Ouvrez la Bible. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient des regards vers la tente d'assignation, voici la nuit, la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Et Moïse et Aaron arrivèrent dans la tente d'assignation. L'Éternel parla à Moïse et dit, Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en instant. Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron, Prends le brasier, mais y mets y du feu du dessus de l'autel. Pose-y le parfum. Va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée. Voici, la plaie était commencée parmi les peuples. Il offrit parfum, le parfum il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça contre les morts, entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 100 personnes qui moururent de cette plaie, autres ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron trouva auprès de Moïse à l'entrée de la tente l'assignation. La plaie était arrêtée. Gloire à Dieu. Nous considérons se tenir à la brèche. Le verset clé ici, c'est le verset 48 qui dit Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Allons-y dans le message. Afin d'éviter des pertes colossales parmi son peuple, Dieu crée souvent le moyen de s'échapper et pour empêcher une conflagration il met en sorte que la pluie humidifie la forêt et la, flore. Il a toujours choisi une délivrance pour le peuple d'Israël. Déjà la conséquence du péché, de rébellion de Corée, d'Atan et d'Abiram avait poussé le peuple à tout. En effet, certains individus charnels, désabattus et mécontents avait insisté, le peuple a murmuré à se plaindre ouvertement contre Moïse et Aaron, les accusant de tuer le peuple de Dieu. Ces actions ont déclenché la couleur de Dieu sur l'Israël. À peine les manifestants s'étant-ils rassemblés pour harceler Moïse et Aaron, que la nuée de gloire de Dieu apparut pour se venger d'eux. Ce fut l'intervention opportune d'Aaron que souverain sacrificateur consacré et engagé qui a offert un sacrifice acceptable au nom des rebelles, qui a sauvé la situation. Aaron, en tant que souverain sacrificateur, oui, s'est placé entre les vivants et les morts et a intercédé jusqu'à ce que la plaie cesse. Aujourd'hui, la plaie a commencé, comme, un, comme au temps d'Aaron. Déjà, à traverser une pandémie et ceci est simplement le début des douleurs. Nous devons, comme avant, ne pas perdre le temps pour secourir ceux qui périssent parmi nous, ceux qui, sont de nos familles, de nos quartiers, de nos liens, hors de nos de travail et de rue. Nous ne devons pas hésiter à nous occuper pleinement Aaron, le souverain sacrificateur. En agissant ainsi, Dieu les délivrera de la colère à venir. Notre pensée du jour, secourez les perdus, prenez soin de ceux qui meurent. Secourez les perdus, prenez soin de ceux qui meurent. Que Dieu nous aide à prier pour les pécheurs, à intercéder pour les pécheurs. Que Dieu les sauve de leurs péchés la parole de Dieu et va prier pour eux, va intercéder en faveur d'eux, que Dieu ait leur pitié et les sauve de leurs péchés, pour qu'ils ne mettent pas dans le péché. Dieu nous aide. Notre pensée du jour, secourez les perdus, prenez soin de ceux qui meurent. Il les aide à le faire au nom de Jésus. La Bible en un an, deuxième chronique, chapitre 9 jusqu'au chapitre 9 ensemble. Seigneur, merci pour ce jour encore. Dieu remercions pour ce message que tu nous as donné. Nous prions que tu nous aides. À chaque moment, nous allons intercéder pour les pécheurs. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous allons prier pour eux aussi, pour qu'ils soient sauvés. Aide-nous à le faire, à le commencer à partir d'aujourd'hui. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et